Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la télévision temporale et bienvenue à sa grande édition d'information. L'agence de voyage Hajj et Oumara Hambali Voyage est à sa troisième étape de Oumara du 22 décembre au 6 janvier 2023 avec des encadreurs qualifiés que je vous invite à suivre dans cette édition. Après le séjour à Médine, les pèlerins de l'agence Ambali Voyage connue pour son expertise dans l'organisation du Hajj et de la umra au Niger prennent la destination de la Mecque, la ville de la grande mosquée Al-Haram qui abrite la Kaaba avec ferveur et enthousiasme. Après plusieurs rappels initiés par les encadreurs, ils se rendent d'abord à la MICAT de Médine où après deux rakats, ils formulent l'intention d'accomplir la Umrah. Les personnes âgées bénéficient d'une attention toute particulière de la part des encadreurs. Elles sont assistées tout le long du processus de l'accomplissement des rites. Vêtues du hiram, les deux rakats effectués, l'intention formulée, les pèlerins prennent la destination de la Mecque à quelques 450 km de Médine en entonnant des invocations recommandées. Arrivés à la Mecque, les pèlerins sont hébergés à l'hôtel Land Premium de grand standing non loin de la Kaaba. La Umrah ou petit pèlerinage comprend quatre étapes essentielles. L'intention, le tawaf ou sept tours autour de la maison sacrée la Kaaba, suivi de deux rakats derrière le makam Ibrahim ou la station Ibrahim. Boire aussitôt après l'eau du Zamzam, effectuer enfin le Safa et Marwa et effectuer la coiffure pour les hommes et la coupe symbolique des cheveux pour les femmes. Les encadreurs de l'agence Ambali Voyage ont également organisé des Iara ou visites à la Mecque. Les pèlerins ont découvert successivement le mont long de 721 mètres où le prophète Mohamed P. est sali sur lui et son compagnon Abou Bakar, poursuivi par les Koréchites, s'était caché pendant les en l'an 622. Le mont Arfa, dont le rassemblement pendant le Hajj est obligatoire, Mina où les pèlerins y séjournent pendant le Hajj, Jamrat où ils procèdent toujours pendant le Hajj à la lapidation de Satan. Cette session a été encore une fois un succès de la vie des pèlerins. Ils se réjouissent de la parfaite organisation comme à l'accoutumée de cette Umrah du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023 avec des encadreurs rompus à la tâche, soucieux de la réussite des rites. alhamdulillahi mun gode Allah kwarai liya ta yi babu wata matsala an bali voyage muna da masu aiki wanda ke kula da mutane kuma shi kan shugaban ajiyar din gaskiya yana kula da mutane sosai bindiro kare ta wanda alhamdulillah inno zumbai abori inni go te da agi hinanda ir sabumo azan sam balikan rayi huro iri wori mandiara problem kulu Avec Ambali Voyage, la qualité à la fois de la formation, de l'encadrement, de l'hébergement, des vols, le respect des chronogrammes, les facilités dans les formalités administratives et les modalités de paiement assurent la réussite du Hajj et de la Omra. Une expérience, une expertise qui fait de l'agence Ambali Voyage, dont le siège se trouve au quartier Terminus à Niamey, une référence au Niger et dans la sous-région. En Voyage, une fierté nationale pour renforcer la sensibilisation sur les violences faites aux femmes, Hassia Diallo a tendu son micro à la coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique pour parler de ce que c'est que le harcèlement sexuel et comment s'y prendre en cas d'atteinte. Suivez-les. Au Niger, le harcèlement est un délit depuis la loi, de, la loi 2003-25 du 13 juin 2003 qui prend également en charge les questions de viol. Le viol, les harcèlements sexuels et, comment on appelle ça, l'excision sont tous des actes à connotation sexuelle qui ont été pris en charge par la même loi. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de harcèlement c'est lorsque, d'abord, je tiens à préciser, parce que souvent on a tendance à penser que c'est uniquement les hommes qui harcèlent des femmes. Non, en droit nigérien, on reconnaît le harcèlement, et on, admet le harcèlement aussi bien lorsque l'auteur est un homme que l'auteur est une femme. Donc je veux que les gens comprennent que on ne parle pas seulement de femmes victimes, mais d'hommes et de femmes victimes. Et effectivement, moi en tant qu'ONG, j'enregistre des hommes qui viennent me demander des conseils parce qu'ils sont harcelés par leurs secrétaires, parce qu'ils sont harcelés par souvent les amis de leurs épouses, ainsi de suite. Donc je voulais clarifier cela. Maintenant, on parle de harcèlement uniquement lorsque quelqu'un use d'ordre, de menace ou de contraintes pour obtenir le faveur sexuel d'une autre personne. Lorsque deux adultes, de manière consentante, consentante ont des rapports sexuels, on ne peut pas parler de harcèlement, on ne peut parler de harcèlement. Donc, en matière de harcèlement, il faut d'abord qu'il y ait un moyen. Le moyen, c'est quoi C'est l'usage d'ordre, de menace ou de contrainte pour, dans quel but Donc ça, les moyens, c'est l'usage d'ordre, c'est de menaces ou de contrainte. Maintenant, il faut un but. Le but, c'est obtenir les faveurs sexuelles de sa partenaire. Normalement, dans quelle catégorie Souvent, c'est vrai que globalement, hommes et femmes sont victimes de harcèlement sexuel au Niger. Mais en réalité, les femmes sont beaucoup plus victimes et de plus en plus les femmes mariées, de plus en plus les femmes âgées, parce que les présenteurs socioculturels font que lorsque j'ai l'habitude de voir des femmes avec six enfants, des femmes avec des femmes grand-mères qui sont harcelées, elles ne peuvent pas dénoncer parce qu'elles ont peur du candidaton, elles ont peur des reproches. Et on le rencontre également beaucoup, beaucoup à l'école, sur les bancs, collège, lycée, université. Là, c'est vraiment souvent des enseignants qui débordent, qui dérapent et qui, moyennant une bonne note, contraignent les élèves à pour obtenir leur faveur sexuelle. C'est des réalités que nous vivons, c'est des cas concrets que nous ici le harcèlement est là dans tous les services publics, sans distinction. Et nous rencontrons tout type de profil la loi, malheureusement, n'est ni sévère ni appropriée. Qu'est-ce que j'entends par la loi n'est pas sévère En matière de harcèlement sexuel, quand par exemple c'est d'inconnu en inconnu, nous sommes juste des camarades de classe, un inconnu me harcèle, si je porte plainte contre lui, il est passible d'une peine de prison variée entre 3 et 6 mois et une amende de 10 000 à 100 000. C'est tout. Vous me harcelez, vous obtenez des faveurs sexuelles, c'est du viol. Donc, moi, je trouve que ici, à ce niveau, si une relecture doit être faite, elle doit être faite parce que la peine, elle est trop légère. Ensuite, il y a une circonstance aggravante. En matière de harcèlement sexuel, quand est-ce qu'on peut parler de circonstance aggravante C'est quand l'auteur est votre patron. Et là, j'interpelle tous les fonctionnaires, tous les agents, tous les étudiants. Lorsque celui qui a autorité sur vous use d'ordre vous intime d'avoir des rapports sexuels avec lui, c'est une circonstance aggravante et en ce moment, la peine de prison peut aller jusqu'à un an. Là, c'est de trois mois, un an de prison et une amende de 20 000 à 200 000. Et chose importante, en matière de harcèlement, tant que ce n'est pas vous-même qui portez plainte, le procureur ne peut s'autosaisir parce que c'est à vous d'apporter les preuves que autrui me harcèle. La difficulté que les juridictions rencontrent, c'est quoi Un homme vous écrit, vous êtes femme mariée vous vous précipitez pour effacer le message de peur que votre mari ne tombe dessus. Sauf que quand vous venez en juridiction, c'est la seule preuve qui permet d'entrer en voie de condamnation que vous venez de supprimer. Donc de plus en plus, on dit aux gens, lorsque une personne vous harcèle, avec les nouvelles technologies de l'information, c'est la plupart du temps, c'est des messages WhatsApp, et des textos. Faites capture de ces messages et c'est ces messages qui vont vous permettre de confondre la personne. Ne supprimez pas. La plupart, c'est après suppression des messages parce que souvent, c'est des messages très sales qu'ils finissent par. Et là, c'est parole contre parole, c'est très difficile à approuver. C'est pour ça qu'en matière de harcèlement, c'est important que ce soit la victime qui porte plainte, mais c'est encore plus important que la victime garde les preuves de harcèlement. Et les preuves, généralement, surtout en 2022-2023, c'est surtout via WhatsApp. Vous avez trois possibilités. Soit vous saisissez la police de, votre plainte, soit vous choisissez la gendarmerie. Il y a des zones au Niger dans lesquelles il n'y a pas la police, il y a la gendarmerie. Si la police ne fait rien, la gendarmerie ne fait rien, saisissez le procureur de la République. C'est les trois procédures à masser. Parce que le harcèlement sexuel, c'est une infraction pénale. Il est très difficile pour une femme mariée de porter plainte pour viol ou pour harcèlement. Les hommes ont tellement compris ça que finalement, ce n'est plus les jeunes filles qui sont harcelées, c'est pratiquement tout le temps des mères de famille, des chefs de famille, des femmes mariées qui sont harcelées parce qu'ils savent qu'elles ne peuvent pas les dénoncer. Il est temps que les femmes comprennent que ce silence-là, il est coupable parce que c'est ce silence qui les encourage. Les hommes me le disent. Nous, on choisit les femmes qui ne peuvent pas parler. Alors, réveillez-vous. C'est vrai que ça va être très compliqué. Il y aura le regard de la société, il y aura les jugements de valeur, mais il n'y a que vous qui pouvez porter plainte pour arrêter ça. Les juridictions de Niger enregistrent très peu de plaintes en matière de harcèlement, alors que le harcèlement, c'est l'une des infractions pour lesquelles nous, en tant qu'ONG, on est saisi au quotidien par des mères de famille, par des grands-mères, et c'est le silence des victimes qui encourage les bourreaux. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, (Alcia) assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption au Niger dans une étude réalisée en 2018 par la Alcia. Il ressort que le secteur public est le plus touché par la corruption. Depuis peu, cette institution intervient également dans l'organisation des examens et concours. Des détails dans cet élément de Studio Calamou. La Halcia agit sur la base des plaintes et dénonciations qu'elle reçoit. Et une fois que ces plaintes sont reçues, eh, elles sont directement eh, confiées du moins à des investigateurs. Ce qu'il faut préciser et qui est important pour euh, les Nigériens, c'est que lorsque vous faites une plainte déjà à la justice, vous ne pouvez pas encore vous plaindre à la Halcia. Cependant, il y a plusieurs façons pour saisir la Halcia pour porter plainte. La première, c'est de se déplacer pour venir à la Halcia, à la rive droite en face de la douane. Et vous allez être reçu par le service courrier qui va arrêter votre plainte. Et la deuxième option, c'est d'envoyer par la poste. Nous avons une boîte postale 550 Niami. Et la troisième option, c'est de passer pour ceux qui sont avertis, qui maîtrisent la technologie par notre site web www.alca.ne, toute personne ou toute structure a l'obligation, selon la loi, de collaborer avec la Alcia lors de ses investigations et pour, faire, pour permettre de faire de la lumière. La durée d'une enquête dépend du caractère de la plainte ou de la dénonciation, sa complexité et surtout ses implications. Le secteur public se trouve être malheureusement le plus affecté par la corruption. Nous avons ces informations à la suite d'une étude que nous avons menée en 2018 sur l'indice des perceptions, sur du moins la perception de la corruption au Niger. Et c'est cette étude qui a permis d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Alors quand on prend les secteurs, on remarque malheureusement que le secteur de la douane vient en premier lieu, ensuite le secteur des impôts, donc euh, jusqu'au secteur de la santé qui malheureusement aussi est affecté et celui de l'éducation. Pour l'année 2022, la a supervisé 60 concours, examens, tests et tests de recrutement. Et si la Halcia intervient dans les examens et concours, c'est pour permettre effectivement au fils du pauvre qui a étudié d'accéder à la fonction emploi. Parce que dans le temps, ce n'était peut-être pas permis, ce n'était pas autorisé, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, tout le monde peut rêver d'avoir un emploi grâce à la participation de la dans les examens Examen et concours. La Direction générale des impôts et le conseil de la ville de Niamey ont officiellement hier lancé la campagne nationale de sensibilisation sur les impôts fonciers. Le compte rendu avec Asia Diallo et Kantama Ibrahim. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de la Direction générale des impôts en partenariat avec le Conseil de la ville de Niamey. Une campagne nationale visant à mobiliser des ressources foncières. Je voudrais qu'on comprenne déjà que la DGI est un outil de l'État au service de la population et donc de la collectivité que nous représentons. Les impôts dont il est question sont des impôts qui sont partagés parfois équitablement entre l'État et la collectivité territoriale. Ça veut dire que nous tous, nous avons intérêt à ce que cet impôt soit recouvré à 100%. Pour qu'il le soit, il faut l'engagement de chacun et de tous. Je vais donc vous demander, puisque vous m'avez porté à la tête de la ville de Niamey pour cela, vous demander de vous faire violence pour que partout où il y a un impôt foncier qui est dû à l'État du Niger qu'on puisse aider la DGI à le recouvrir. On peut le faire de plusieurs manières. Déjà, en partageant l'information, et j'ai demandé la semaine dernière au DGI de réfléchir sur les mécanismes qui permettent de mettre les chefs coutumiers à contribution pour l'identification des contribuables. Ensuite, il y a le travail de sensibilisation qui commence aujourd'hui et dont chacun d'entre vous doit être le relais dans son quartier, le relais dans sa zone, là où il est lui, s'il est euh, conseiller, et dans son organisation, s'il est euh, leader d'une association ou d'une ONG. À l'occasion de ce lancement de campagne de sensibilisation, le directeur général de la Direction générale des impôts a rappelé les fondements de l'impôt avant de revenir sur l'objectif et l'importance de la dite campagne. Il y a un contrat social entre l'État et le contribuable. Ce contrat social, c'est quoi Le contribuable doit s'acquitter de leurs obligations fiscales, que ce soit de manière spontanée ou que ce soit suite à une relance de l'argent fiscale. Et en retour, l'État exerce, leur assure toutes les fonctions régaliennes et même toutes les fonctions économiques et sociales qu'elle a l'habitude de faire. Donc, je voudrais rappeler à chacun d'entre vous ce contrat social qui existe entre nous. On lève les impôts pour construire un pays. On lève les impôts pour couvrir des charges publiques. On lève les impôts pour assumer tout simplement l'existence de l'État et de nos collectivités. Donc voilà le fondement de l'impôt. Et l'impôt est la première source de financement de l'État. Tous les États aujourd'hui modernes utilisent les impôts pour se financer. Donc la capacité des États à assurer le services publics de qualité dépend étroitement de sa capacité aussi à mobiliser d'abord ses ressources internes. Donc comme vous le savez aussi, même ceux qui prêtent de l'argent à l'État, ils le prêtent en fonction de ses capacités de remboursement, parce que c'est des prêts. Si vous n'avez pas la capacité de rembourser ou si vous avez des capacités réduites, si vous ne pouvez pas vous endetter, on ne peut pas vous prêter de l'argent, pas beaucoup d'argent. Donc, il y a un lien évident entre même les concours extérieurs sous forme de prêt et la mobilisation des recettes. Donc, nous avons, en tant que direction générale des impôts, comme vous le savez, nous sommes ressources, euh, au service de l'État en particulier, et surtout des collectivités, parce que nous recouvrons, comme l'a dit le président du Conseil des villes, les ressources pour les collectivités aussi. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin de l'engagement de chacun. Le mot d'ordre de la DGI, c'est que l'impôt il doit être volontairement acquitté par chacun. On ne peut pas faire le gendarme derrière chacun pour dire vous devez payer votre impôt, sinon ça ne marche pas. Ça va être compliqué. Aucune administration ne peut poursuivre tout le monde pour dire il faut que obligatoirement vous me donnez. Donc c'est pour ça nous avons mis l'accent sur la sensibilisation. Et pour sensibiliser, il n'y a pas mieux que les leaders d'opinion qui sont aujourd'hui réunis dans cette salle, chacun en ce titre, grande et qualité, pour que ce message soit porté le plus, loin possible. Alors, de quels impôts il s'agit ce matin Il s'agit simplement ce matin des impôts en lien avec le foncier, en lien surtout avec le revenu foncier. Aujourd'hui, comme vous le savez, ceux qui ont des salaires chaque mois, qu'ils le veuillent ou pas, l'employeur, il retient à la source et il verse à l'État. Mais celui qui a des revenus fonciers, chaque mois ou chaque année ou chaque trimestre, il approche ses revenus. Maintenant, le paiement des impôts dépend de lui, sa capacité ou sa volonté à venir déclarer au service les revenus qu'il gagne c'est ce devoir de conscience auquel nous appelons tout le monde. Cette campagne de recensement relative aux impôts fonciers se déroulera de porte en porte sur toute l'étendue du territoire national durant trois mois. Tout est devenu cher, on n'en peut plus, c'est au quotidien ce qu'on entend à longueur de la journée. Que fait l'association de défense des droits des consommateurs face à cette hausse vertigineuse et quelles sont les conséquences de cette inflation sur l'économie du Niger La réponse dans cette partie magazine réservée à l'édition. Très bonne réception. Notre association est née le 27 décembre 1995. Sa mission, c'est la promotion et la défense des droits des consommateurs. C'est un droit de troisième génération, comme on le dit. Et nos objectifs, c'est la lutte contre la hausse injustifiée des prix de produits et services, l'assistance juridique aux consommateurs, la promotion des produits locaux de bonne qualité, l'information, sensibilisation des consommateurs sur leurs droits et devoirs en matière de, consommation, mais aussi le contrôle qualité des produits de première nécessité, la question de la lutte contre la pollution, l'hygiène et la promotion des normes de qualité. Donc euh, c'est ça nos objectifs. Alors comment savoir s'il y a hausse ou s'il n'y a pas de hausse À travers nos antennes locales, nos représentations régionales, nous avons des informations des prix des produits de consommation. Ça nous permet de savoir l'évolution du prix. Nous agissons le plus souvent sur cette cause en interpellant particulièrement les partenaires. parmi les partenaires, il y a l'État, bien entendu, mais aussi il y a les commerçants. Si cette hausse est liée au comportement, en tout cas de spéculation, ça nous interpellons particulièrement les, les, les, commerçants. Si c'est lié, c'est une cause structurelle liée à la disponibilité, à l'offre sur le marché, là nous interpellons l'État qui a le devoir aussi de faire, en tout cas, de créer les conditions de l'approvisionnement des marchés. Il faut rappeler que notre pays est importateur presque à 80% des produits de première nécessité. Un pays de l'Interland sans littoral, et qui importe pratiquement que ce soit le riz, le maïs, nous ne produisons pas ça assez. Le maïs, on ne produit pas du tout. On importe du sucre, on ne produit pas du tout. L'huile, nous importons. La farine de blé, nous importons. Nous importons presque tout. Donc nous dépendons pratiquement de l'extérieur. Une baisse de l'offre sur le marché peut être liée à l'approvisionnement du pays. Et l'une des causes fondamentales, c'est la question de l'insécurité. Ensuite, la hausse du prix des produits de première nécessité sur le marché mondial, en tout cas en ce qui concerne les produits d'importation. Les produits locaux, là aussi, c'est lié non seulement au déficit céréalier, mais aussi c'est lié en tout cas à l'achat institutionnel souvent qui déstabilise à l'offre euh, sur le marché ou la disponibilité de, sur le marché. Donc il y en a plusieurs causes, mais nous pensons que c'est les causes essentielles que nous citons. La hausse du prix du gasoil particulièrement parce qu'il ne s'agit pas de tous les carburants, de tous les types de carburants, le gasoil. Elle est intervenue à un moment où déjà la hausse des prix de produits de première nécessité, elle est là. C'est évident. Et les causes liées en tout cas à cette hausse-là, en ce moment-là, c'était la hausse du prix du gasoil. Mais ça a eu un impact collatéral de façon directe en ce qui concerne les produits d'importation. Ça n'a pas eu d'impact parce que ça a fait l'objet d'un mémorandum, d'un accord que j'ai particulièrement participé à la signature et nous avons suivi de bout en bout, en tout cas, il n'y a pas eu d'augmentation du fret des ports d'approvisionnement à destination Niger. Maintenant, la veille sur le transport du fret à de l'entrée du Niger vers destination pays, destination particulièrement les villes de l'intérêt ça on ne contrôle pas, particulièrement les produits qui quittent Niamey ou on charge à partir de Niamey et qui partent à l'intérieur du pays, ça on n'a pas véritablement contrôlé l'un dans l'autre. Euh, d'abord, la plus grande conséquence, c'est sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Lorsque le produit coûte cher, il y a un problème d'accessibilité en termes de prix. Pour les petits et moyens consommateurs, difficulté de la vie, c'est ça l'impact. En dehors de cette euh, question, c'est aussi la question de la disponibilité des produits. Quand le produit coûte cher, il y a un lien avec l'offre sur le marché. Plus le produit sont rare, plus le prix augmente malheureusement. Et cette augmentation, elle peut être justifiée, tout comme elle peut être spéculative. Et quand elle est spéculative, c'est de la malhonnêteté en termes du commerce. Et c'est cette malhonnêteté, normalement, que ça doit être réprimé. Qui doit réprimer, c'est l'État, bien entendu, à travers ses services. Donc souvent, nous entreprenons pour que l'État réprime. malheureusement, nous sommes dans un système de liberté de prix. Et les gens abusent malheureusement. Donc il n'existe pas un mécanisme véritable de contrôle des prix, en même temps de maîtrise des prix, malheureusement, ici au Niger. Depuis qu'il y a cette ordonnance de 92 à euh, euh, la libéralisation des prix. Donc là, contrairement à d'autres pays, en plus de la libéralisation des, prix, mais il y a un service de de contrôle systématique des prix des produits et qui compare le prix à l'importation et les prix sur les marchés. Donc, on constate, on maîtrise la marge bénéficiaire, on maîtrise le volume, on met Jusqu'ici, ici, chez nous, ce n'est pas encore arrivé, mais on souhaite que ça arrive.